C'est une initiative plus qu'un rallye, euh, parce que euh, c'est un nouveau championnat qui est lancé dans le monde pour sensibiliser les gens euh, sur les, dangers, je dirais, de, notre planète. Et puis, c'est une, comme je l'ai dit, c'est un nouveau championnat qui, qui intègre des véhicules électriques et des véhicules, des SUV électriques qui vont, euh, qui vont faire une compétition autour euh, d'un circuit d'environ 10 km. Le lac Rose a été choisi parce que c'est une zone euh, qu'on doit protéger, parce que c'est une zone qui est, sensible, un, parce qu'elle est complètement ouverte vers, vers l'Atlantique et on, remarque qu'il y a beaucoup de déchets de plastique qui sont jetés dans la mer et qui atterrissent au lac Rose, et deuxièmement, à cause du réchauffement et à cause de de la partie euh, désert, comme on voit les dunes, il faut euh, protéger lac Rose avec euh, l'initiative qu'il y a eu depuis un certain temps avec les Filao, qui ont réussi d'une certaine manière à endiguer l'avancement des dunes et qui au final, aujourd'hui, sont là et qu'il va falloir protéger, protéger cette initiative. Et donc, à ce sujet, nous, nous sommes venus ici pour, un, organiser cet événement qui va avoir lieu à la fin du mois de mai, mais on va commencer à faire les montages et à commencer à préparer tout ça dès la semaine prochaine. Et d'un autre côté, notre rôle, c'est d'essayer de travailler avec mm. et avec tous les acteurs et avec les, euh, euh, les participants euh, qui, sont et qui ont cette volonté de travailler avec nous pour la Tout à fait. toutes les personnes qui étaient autour de la table aujourd'hui étaient très... Euh, répondante et très positive à l'idée d'accueillir un événement comme celui-là. Alors bien évidemment, il y avait quelques, quelques questions, euh, mais, cela a été dissipé avec les informations qu'on a communiquées pour que les choses soient claires. On va continuer, on va mettre un comité de collaboration ensemble pour essayer d'avancer et euh, d'arriver à des résultats où tout le monde soit content d'un côté et de l'autre côté de, faire en sorte que cette initiative ou cette course soit un nouveau départ. Certes, il y a eu dans le passé une course qui est connue qui s'appelle le Paris-Dakar, pendant des années, mhm. qui a malheureusement quitté euh, le Sénégal pour aller vers d'autres régions. Euh, il y a d'autres courses qui viennent, mais l'initiative qu'on est, nous, en train d'amener euh, vient avec un message. Ça. Et n'est pas juste venir organiser une course et puis, partir juste, pour l'objet de cette réunion était un peu de sensibiliser les acteurs par rapport à l'organisation de ce, rallye. C'est un nouveau type de rallye, hein. c'est un nouveau type différent des rallyes motorisés. Avec, euh, c'est assez un rallye avec des voitures électriques, d'où le surnom de, de Dakar, Dakar électrique. Donc c'est un rallye de dimension, mondiale parce que ça va se passer sur cinq pays mhm. dans une seule année, comme la première étape s'est passée en Arabie Saoudite, la deuxième, euh, la deuxième étape sera ici au Lagos, la troisième étape je pense que sera au Brésil, ainsi Voilà, donc c'est tellement important pour euh, le tourisme au Lagos qu'on a voulu vraiment rassembler tous les acteurs pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent être sensibilisé par rapport à la chose. C'est très important que chacun euh, ait, une information par rapport à, l'organisation même de ce, de, ce, rallye. Tout le monde va y gagner, c'est sûr que tout le monde va y gagner parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'événement de cette dimension depuis le départ du Paris-Dakar. Donc voilà, ça c'est une aubaine pour le tourisme même au Lagro. C'est pourquoi on a voulu vraiment sensibiliser les, acteurs en présence même des organisateurs pour qu'ils puissent nous parler un peu du rallye, de l'organisation même du rallye et que chacun puisse prendre ses responsabilités par à cette organisation pour que tout se passe bien. Euh, c'est important parce que le, le, syndicat doit être impliqué, doit être impliqué dans ce genre d'événement. La Lagros est là pour la promotion du, du lac, pour les initiatives concernant le, tourisme au niveau de Lagros. Ça, c'est un événement majeur, donc il ne fallait pas que le syndicat soit en reste. Du coup, c'est le, syndicat qui a initié cette rencontre et puis voilà, les, organisateurs étaient partants, ils ont compris même l'esprit de, la région. C'est pourquoi désormais, bon, tout événement qui se passera euh, au Lagrosse aura, aura impérativement hein, l'implication de du, syndicat d'initiative. Ça a été-il facile de convaincre tout le monde à cette réunion C'était pas facile, c'était pas facile parce que bon, c'est des intérêts divergents. Bon, chaque, il euh, y en a qui ont trouvé le compte, d'autres non. C'est pourquoi il fallait vraiment euh, palier, essayer de, de, de, faire adhérer tous les uns et les autres par rapport à cet événement. Ça n'a été pas facile parce qu'il y en a qui seront lésés, il y a un circuit qui sera fermé, il n'y aura plus d'activité pendant cinq jours, ainsi suite. Donc c'est normal qu'il y ait ces, ces, tiraillements par rapport même à l'organisation de ce rallye. Mais finalement, on a eu bien de cause, donc euh, on a tombé d'accord sur un

tey syndicat d'initiative bi tey ni nga ko gisee salle bi bëri na trop acteurs yëpp ñëw nañ mi ngi doon rencontré ki ñu wax Tony Tony moom mooy moom mooy yor lépp lu organisation rallye bi naan extrême i e. bon extrême i e nag rallye façon rallye bu bees la façon rallye bu bees la boo xamante ni si année bi dañ dem si juróomi réew si juróomi réew si àdduna bi donc Arabie Saoudite ci la bokk Sénégal mooy deuxième étape am na Brésil am na Chili bëri na daal cinq cinq réew la daal yoo xamante ni fay dem te bi du rallye caaxaan parce que euh, Euh, jumtukaay yi ñuy utiliser bokkul ak rallye yu njëkk yoo xam ay moteur yoo xam di coow bruit yi ay rally ay voiture électrique la mhm. loolu moo sax indi surnom Dakar électrique parce que noonu lañ ko bëgg a tuddee après fond naa Dakar Dakar électrique donc ñooñu nag war a ñëw Lac Rose mu nekk événement bu rëy parce que Lac Rose ça fait longtemps amuñu événement bu toll nii mhm. parce que événement amatul te ñëpp xam nañ tourisme dafa ànd ak événement tourisme amul événement mom moy loolu donc ñun dañu soxla genre événement yi bon comme ça donc ci yalla daf ñu may chance ñu ñew fi nga xamanteni moy ci si si site Lac Rose bi yoon la won ñu wo acteurs yi wo organisateurs yi ñu waxtaan pour trouver vraiment ben terrain d'entente ba xam ñom ñoom bëgg ci Lac Rose dinañ ko am ñun aussi li sentu ci nga xamanteni sur le plan touristique dañ dinañ ko am moo loolu moo loolu moo sabablu woon tey réunion bi pour que au moins am benn ñun ñëpp nekk au niveau d' après ñu trouver une solution lépp loo xam doléance la par rapport ak euh, rale bi wax nañ ko wax nañ ko daan ko ñoom aussi wax nañu lépp loo xam te ñoom lañ séntu si ñun donc daal ñuy xaar euh, gis-gis bu bees bu syndicat bi war a taxaw ginnaaw yi fi daan jaar nga xam ni daawoon si gis seen bopp lu bari wala population bi mu mel ni ren daal bu baax a baax wax Covid bi xaw a rey affaire yeneen ak yeneen mais syndicat bi daal dafa taxawaat nga xam te lépp loo xam te événement ci Lac Rose léegi syndicat da si dugal loxoom parce que syndicat moom moo yor lépp loo xam wàllu promotion Lac bi la wàllu kaaraange Lac bi la lépp loo xam te ci le plan touristique syndicat bee yor ba léegi à partir de maintenant dañ ne dootuñu nangu benn événement di fi ñëw di fi am sans pour autant ñu dugal syndicat ci biir mu joxe joxe pour que vraiment lepp lo xamné xawna fi acteur yi mun see gis seen bopp bu baax. donc waxtaan bi yomboon na ak population bi. waaw bo yombul yomb na yomb parce que réunion bo xamante ni par exemple ñëppay ñëw donc du yomb ku nekk joxe nga say say say point de vue parce que rallye suy ñew ñi dina arranger ñii ñii dina ci gis seen bopp ñii aussi dina leen yakal touti donc si lool dal lañ do jéem xol xool nu ñu harmoniser position yi pour que vraiment ñu bañ mu bañ impacter rallye bi ci bopam pour que rallye bi mu fee am parce que soy xol au fond ñëpp siy jëriñu mhm. donc ñëpp ci jëriñ mo taxon daal réunion bi xawoon na touti nak mais bo da ngay comprendre rek que ni réunion moom moom mel noonu quoi. am nga lu ngeen teunk waaw li waaw am na lu ñu tënk mooy que ni vraiment que di bon dinañ jéem a bàyyi ñoom ñu def sen rally parce que tracé bi comme ni ñu ko waxee dafa dafay tëj pendant presque 3 à 4 jours. euh duni à plage bi du mëna dem kenn du mëna a ñëw donc lool mo xawoon laal ñenn ñi ba nga ni vraiment il fallait que ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen pour que au moins ñu comprendre vraiment envergure ràll bi moom moo laaj loolu et puis destination Lac aussi da ciy taxawaat moo tax vraiment nit ñi gis nañ ci seen bopp ba am na daal lu ñu tëkk loo xamante ni après dañ ci waxtaan ak mm-hmm. organisateurs yi.